forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du forum du studio 8 de 15 minutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le forum de ce soir porte sur la cécité et les moyens de prévention. Qu'est-ce que c'est que la cécité Quelles sont les différentes causes de cécité Quels sont les types de maladies de l'œil Quelles sont les maladies qui sont évitables et comment Qu'en est-il des vices de réfraction de l'œil Comment jouir d'une bonne santé oculaire Quels sont les atouts ou inconvénients du port de verre correcteur Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité professeur Ag Hamza Abdou. Il est maître de conférences agrégé d'ophtalmologie, enseignant-chercheur à l'université Abdou Mounou de Niamey. Il est médecin-chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital national de la Mordée, en même temps coordinateur du programme national de santé oculaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Présentation de cette émission à la Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous, je le disais tantôt, le forum de ce soir porte sur la cécité au Niger et les moyens de prévention. La cécité constitue un véritable problème de santé publique au Niger. Selon les chiffres fournis par le Programme national de santé oculaire, la prévalence de la cécité est de 2,2%, dont 45% sont attribuables à la cataracte, 25% au trachome, 22% au glaucome, 8% aux autres causes de maladies. Le Programme national de santé, pour rappel, est une institution du ministère de la Santé publique qui a pour mission de lutter contre les affections cécitantes afin de réduire la cécité au Niger. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec vous, professeur Ag Hamza Abdou. Je le disais, vous êtes le coordinateur du programme national de santé oculaire. La cécité euh, constitue aujourd'hui un véritable problème de santé au Niger. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces différentes euh, euh, causes de cécité et la cause de chacune d'elles Avant de commencer, il faudra d'abord s'entendre par rapport à la définition de la cécité. La cécité même, euh, qu'est-ce que nous entendons par cécité Chaque fois qu'une personne est incapable de compter les doigts à une distance de 3 mètres. C'est-à-dire, euh, vous mettez à une distance de 3 mètres, vous levez les doigts, vous montrez un, deux ou trois ou cinq doigts. Si la personne est incapable de voir les doigts à une distance de 3 mètres, nous, on considère qu'elle est aveugle, elle est atteinte de cécité. Et donc là, ça fait que euh, toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir à cette distance-là, qui ne voit que la lumière ou qui ne voit pas la lumière, toutes ces personnes-là sont considérées comme aveugles, donc atteintes de cécité. Pour ce qui est de notre pays, les données que nous avons, les 2,2%, datent en fait de 1987. C'était la première enquête sur la cécité dans notre pays. Et c'est cette euh, enquête qui a donné la prévalence de 2,2%. Et depuis lors, euh, il n'y a pas eu d'études pour savoir euh, l'état actuel Actuellement, justement, nous avons beau crier, nous cherchons auprès des partenaires de l'État pour que quelqu'un puisse financer une enquête du même genre pour qu'au moins on voit ce qui se passe parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions et nous pensons que les résultats ont beaucoup changé. Actuellement, il y a une organisation, la CBM, qui a accepté de financer une enquête dans la région de Zender, une enquête sur la cécité. Bon, ça va nous permettre d'avoir une idée, même si les tranches d'âge qui seront utilisées ne nous donnent pas totalement satisfaction parce que cette enquête va se faire chez les adultes de plus de 50 ans. Et puis, ce sera seulement dans une région et non sur toute l'étendue du territoire. Exactement. Donc, mais bon, vous savez, vous prenez ce que vous trouvez. Hein. Donc, nous allons faire cette enquête. Ça va déjà nous donner une idée. Et puis, on verra bien avec l'État ou les autres partenaires si quelqu'un sera en mesure de nous financer une enquête, en tout cas de 0 à 49 ans. Au moins qu'on sache ce qui se passe parce que <laughs> sinon, il y a beaucoup de ces cités qui vont nous échapper. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, euh, du fait que ça fait très longtemps, depuis 1987, vous l'avez dit, qu'il y a eu une enquête qui a déterminé que eh, le Niger possède un taux de 2,2% de cécité, est-ce que vous pensez que depuis lors à aujourd'hui, euh, ces taux auraient chuté ou augmenté Pour nous, en tout cas, nous pensons que ça, a chuté. Parce que, bon, en 1987, il était de 2,2%. Et les principales causes qui ont été déterminées, en tout cas à ce, à ce moment-là, c'était la cataracte. Ensuite, euh, le trachome, le glaucome et puis toutes les autres causes qui renferment par exemple la conjonctivite du nouveau-né et les traumatismes oculaires, euh, tout ce qui peut toucher la, les, atteintes cornéo-conjonctivales, plus les maladies telles que le diabète hein, qui peuvent entraîner la cécité. Donc euh, de 1987 à aujourd'hui, vous l'entendez et parfois vous le voyez, par exemple sur le plan de la lutte contre la cataracte, il y a beaucoup qui a été fait et qui continue d'être fait parce qu'avec l'aide des partenaires, vous voyez souvent qu'il y a des campagnes de chirurgie de la cataracte qui se passent dans toutes les régions hein, régulièrement. Avant de venir un peu sur ce qui est en train d'être fait sur chacune de, ces causes de cécité, euh, je voudrais quand même euh, qu'on sache euh, par détail ces différentes causes de cécité que nous avons citées. Qu'est-ce que c'est Comment on peut les définir et leurs manifestations Quand je m'en vais vous les détailler, donc comme je disais, la, les principales causes qui avaient été déterminées en ce moment, c'est la cataracte comme première cause, avec 45%. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la cataracte La cataracte, dans notre œil, hein, dans nos yeux, nous avons une lentille qu'on appelle le cristallin. Cette lentille, elle est transparente. Et donc, c'est à travers elle que se passent les, images vont traverser les, cette lentille pour aller au fond de l'œil et de là, elle va être acheminée jusqu'au niveau du cerveau pour être interprétée. Or, cette lentille, avec le temps, ou bien pour certaines causes, elle devient opaque, c'est-à-dire elle ne sera plus transparente. Et dès qu'elle n'est plus transparente, c'est ça la cataracte. Et c'est ça qui fait que donc la personne qui a un cristallin opaque, elle a la cataracte, elle ne peut pas voir. Mais la chance que nous avons, c'est que la cataracte, elle, il faut l'opérer. Si on opère, eh bien la personne peut retrouver sa vue. Si ça se fait dans de bonnes conditions, avec des mains compétentes, hein, la personne qui ne voyait rien du tout peut retrouver une vue de 10 sur 10. Donc c'est ça l'avantage de la cataracte. Le cristallin de vous parlez, comment vous décrivez ça pour que sache de, quel organe il s'agit exactement. Je, vais me référer euh, aux animaux, surtout les moutons, pendant les fêtes de Tabaski, parce que je pense que les gens ont eu l'occasion de euh, manger ou bien de regarder un œil de mouton. Donc, quand vous regardez un œil, normalement, hein, en dehors des paupières qui nous couvrent les yeux, parce que leur rôle, c'est de protéger les yeux chaque fois que quelque chose se projette, le vent, les poussières, on cligne des yeux, on ferme les yeux pour éviter à ce que ça nous touche les yeux. Mais vous avez surtout le noir en face. Vous avez une dans l'œil, vous avez une partie blanche et une partie noire. Mais la partie noire, c'est elle la plus importante, c'est elle qui capte l'image. Donc en avant, vous avez la cornée qui est une sorte d'hublot, comme le hublot au niveau d'un avion. Donc euh, ça capte les images, maintenant ça l'envoie à l'intérieur de l'œil. Maintenant, après la cornée, vous avez un espace vide qu'on appelle la chambre antérieure. Cet espace-là est rempli de liquide. C'est pour ça que si vous perforez un œil, il y a un liquide qui sort. Et donc ce liquide est transparent. Et derrière, vous avez l'iris L'iris, c'est ça qui fait qu'on a les yeux noirs, marron, bleu chez les gens de couleur. Donc l'iris, c'est ça qui est derrière. Et après, juste derrière l'iris, vous avez le cristallin qui est donc une lentille qui elle-même est transparente. Et derrière le, cristallin, vous avez le vitré qui est un gel. C'est en ce moment qu'on atteint donc la paroi postérieure qui est constituée de trois enveloppes, dont la rétine, l'UV avec euh, la choroïde et derrière la sclère. Donc voilà, mais tout ce, système-là doit être transparent pour permettre la vue. La cornée doit être transparente, la chambre qui renferme le liquide hein, c'est un liquide transparent. Derrière l'iris, vous avez un trou qui est la pupille. C'est à travers elle que se trouve, se fait la vision. Et derrière, vous avez le cristallin qui est une lentille transparente. Puis derrière, le vitré qui est un gel transparent. Donc, c'est ce mécanisme-là qui permet de capter la vision, de, de permettre la vision quand une personne regarde. Donc, la cataracte, c'est cette lentille-là justement qui est derrière l'iris qui normalement est transparente, qui avec l'âge en général se pacifie. Est-ce qu'un adolescent ou un jeune peut faire la cataracte à l'âge avant, 10, avant 20 ans On peut même avoir la cataracte dès la naissance. Ça, c'est la cataracte congénitale. Il y a des enfants, parce que par exemple, des problèmes de consanguinité, si les parents ont des relations très proches, s'ils ont des enfants, ils peuvent avoir des enfants avec une cataracte dès la naissance. Ça, c'est la consanguinité, mais à cause de certaines maladies aussi. Pendant la grossesse, hein, si la, la maman a eu certaines infections ou bien en tout cas certaines maladies, pendant que l'enfant, le fœtus se forme, il peut développer une cataracte et sortir donc avec une cataracte congénitale. Puis il y a la cataracte de l'enfant. La cataracte de l'enfant, donc, c'est une cataracte aussi qui peut arriver à cause de l'hérédité, si vous avez la cataracte dans la famille, on peut avoir une cataracte très tôt, mais aussi les traumatismes. Oui, si vous recevez un coup sur l'œil, si le coup a été très fort, il peut donc euh, traumatiser votre cristallin qui, lui, va réagir en se pacifiant. Euh, professeur, après le, la cataracte, on a euh, le trachome qui constitue 25% des causes de cécité. Qu'est-ce que c'est Oui, le trachome, c'est la deuxième cause de cécité dans notre pays. C'est quoi le trachome Le trachome, c'est une maladie infectieuse de l'œil. En fait, il y a un micro-organisme qui est appelé Chlamydia trachomatis qui, en général, infecte l'œil, surtout chez les enfants c'est dans l'enfance qu'on fait la maladie. Si vous voyez au village les petits-enfants qui sont pleins de mouches au visage, parce que justement les mamans ne lavent pas les visages. C'est le petit enfant qui a trois ans, qui a déjà eu un petit frère, donc la maman ne s'occupe plus de lui, on le laisse avec la grand-mère ou bien on le laisse à lui seul. Le matin, il se réveille avec plein de sécrétions dans les yeux, il mange, il a la, morve au niveau des, narines, il mange, il y a les reliquats alimentaires, les mouches c'est leur plat préféré. Elles viennent sucer donc les sécrétions et si jamais cet enfant est infecté euh, de trachome, elles vont transporter euh, le micro-organisme et aller se poser sur un et transmettre la maladie. Et même les enfants, entre eux, en jouant, ils vont se transmettre la maladie ou bien avec le linge ou bien les couvertures quand ils vont se coucher la nuit. Hein, donc, euh, ils vont se transmettre la maladie. Quelles sont ces manifestations et puis est-ce qu'il y a une période bien déterminée pendant laquelle elle apparaît Donc, justement, pendant l'enfance, ils ont cette maladie-là. Et comme ils vont se la transmettre entre eux, ils vont aussi la passer à leur maman, à leur sœur, à leur grand-mère, parce que c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc on fait la maladie, mais la complication qui rend aveugle, elle, euh, elle surviendra plus tard. Donc c'est quelques années plus tard que la complication arrive. Comment cette complication va arriver À force d'avoir des conjonctivites répétées dues à chlamydia trachomatis, la conjonctive qui est une membrane qui est sous les paupières c'est elle qui recouvre la partie blanche de l'œil, mais il y en a aussi sous les deux paupières, supérieures et inférieures. Comme il y a eu plusieurs infections, hein, plusieurs réactions donc euh, d'inflammation, ça va tirer la paupière supérieure. Or, sur nos deux paupières, il y a des lignées de cils. Donc, euh, chaque fois qu'on cligne des yeux normalement, nos cils ne frottent pas nos yeux. Mais quand, avec cette complication la les cils vont venir frotter le, globe. Et en frottant le globe, ça va balayer le noir Or, le noir, c'est la partie qui nous permet de voir. C'est elle qui enregistre les images. Donc, ces multiples frottements au niveau de la euh, cornée vont entraîner soit une perforation, soit une opacification de la cornée. Et donc, c'est plus tard que la personne va développer ça. C'est ce qu'on appelle trichiasis, l'entropion trichiasis qui, lui, entraîne la cécité. Et donc, cette cécité-là également, en général, elle est chez l'adulte, mais quand vous êtes dans les zones très endémiques, on peut même retrouver des enfants avec le trichiasis parce qu'ils ont commencé la maladie dès la naissance et donc ils ont eu tout le temps, au bout de 3 ans, 4 ans ou même 5 ans, on les retrouve avec la complication. Donc cette complication-là, qui est l'entropion trichiasis, elle n'a d'autre traitement que la chirurgie. Il faut opérer. Il faut renverser la paupière supérieure qui frotte le globe. Et cette chirurgie-là, on l'a apprise à beaucoup des, des, infirmiers dans les zones endémiques parce que je reviens aussi pour le trachome. C'est pas tout le Niger qui est endémique du trachome parce que c'est une maladie liée à l'absence d'assainissement, hein, au manque d'hygiène, à l'environnement insalubre et au manque d'eau. Quelles sont les zones, les zones les plus touchées et par quelle période? Les zones les plus touchées pour nous sont Zender, Maradi, Difa, ensuite Tawa, et très peu d'Osso, la zone de Dosso, dans certains districts, pas tous les districts. Puis Niamey, Niamey, Tilaberi, il n'y a pratiquement pas de tracom. Sauf qu'actuellement, nous avons un programme qui a décidé d'éliminer le trachome en 2020. Oh, nous ne sommes plus qu'à trois ans de 2020. Donc actuellement, on est en train de faire les enquêtes dans tous les districts, dans tout le pays pour s'assurer que même là où on pense qu'il n'y a pas de trachome, il faut le vérifier. Donc on fait des enquêtes pour savoir s'il y a du trachome ou pas. Parce que s'il y a du trachome, on a un traitement. Le trachome, quand c'est la maladie chez l'enfant, hein, on a un traitement, c'est la pommade antibiotique tétracycline 1% qu'on doit mettre dans les yeux matin et soir pendant six semaines. Et en plus de ça, il y a un partenaire qui est l'International Trachoma Initiative qui nous fournit un antibiotique qu'on appelle le Zitromax cet antibiotique-là, avec une seule dose, il permet d'éliminer le trachome. Et donc, on a une donation de ce produit et on le distribue dans les zones où il y a le trachome chaque année. Donc, il y a une distribution. Dès qu'on fait une enquête, on voit qu'il y a le trachome. Donc, on fait la distribution du médicament. Gratuitement Gratuitement, c'est eux qui nous fournissent le produit jusqu'à l'aéroport de Niamey. Maintenant, à nous maintenant de prendre le produit et de le disséminer dans les zones où on a besoin de lui et de le distribuer. Donc, euh, avec ce programme-là, maintenant, nous sommes en train de de chercher ce qu'on appelle la certification de l'élimination du trachome d'ici 2020. Donc il y a des districts où on est arrivé au, à l'élimination, c'est-à-dire la prévalence est tellement faible qu'on peut considérer que ce n'est plus un problème de santé publique. Mais il y a les autres districts. Or, pour qu'on certifie que le Niger a éliminé le trachome, il faut que dans tout le pays, qu'on dise que oui, le niveau est tellement bas qu'on peut, qu'on peut considérer qu'il n'y a plus de trachome dans le pays. Donc ça, c'est par rapport au trachome. Pour les autres, après la cataracte, le trachome, vous avez le glaucome. Le glaucome, ah oui, le glaucome, c'est notre casse-tête. Pourquoi Parce que le glaucome, c'est une maladie difficile. Difficile pour tout le monde. C'est quoi le glaucome si je peux le dire euh, de manière simple, c'est l'hypertension de l'œil. Comme vous faites l'hypertension artérielle dans le corps, hein, il y a l'hypertension de l'œil. L'hypertension du corps, c'est quoi C'est que normalement, le sang doit circuler à une certaine pression dans l'organisme. Les personnes qui sont hypertendues, on ne sait pas pour quelle raison, au lieu que cette, ce sang-là circule à une certaine euh, limite de pression, la pression monte. Or, quand la pression monte, qu'est-ce qu'il y a comme risque C'est que les petits vaisseaux risquent de péter, hein, ou bien il y a avec d'autres complications, les les vaisseaux, la lumière des vaisseaux va se rétrécir, donc le sang ne pourra pas être acheminé jusque là où il faut. Et donc c'est ça les risques avec euh, l'hypertension artérielle. au niveau de l'œil, c'est pareil. Il y a un liquide qui est produit en permanence. Ce liquide doit séjourner dans l'œil et puis après être réparti dans l'organisme et circuler. Mais on ne sait pas pourquoi chez certaines personnes, hein, ce liquide-là arrive, au lieu de circuler, il stagne dans l'œil, ce qui fait monter la pression de l'œil. Et le fait que ça monte, ça va détruire les fibres nerveuses les fibres qui conduisent la vision au niveau du cerveau. Et donc, c'est petit à petit, la personne ne se rend pas compte puisque ça fait pas mal. Petit à petit, on perd la vision et jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, on ne voit pas du tout. Donc, c'est ça le glaucome. Et oui, mais il y a des personnes qui, euh, leur pression est normale, mais pourtant, les fibres sont détruites. Ça veut dire la, la pression que nous on considère qui est normale, et pour eux c'est pas normal, c'est élevé. Donc c'est pour ça que avec le glaucome, la seule manière il faut venir en consultation. Chaque fois, je dis aux malades, la seule manière de comprendre que vous avez le glaucome, il faut que vous passiez sur l'appareil. Parce que vous, vous ne sentez rien. Et moi, si je ne vous examine pas, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas comme la cataracte. Quand je vous regarde, je vois qu'il y a un, point blanc dans votre œil. Ah, celui-là, il a la cataracte. Non, le glaucome, il faut passer sur les appareils. Un diagnostic profond. Un diagnostic profond avec non seulement de l'équipement et des personnes compétentes, parce que autrement, c'est difficile. Et la difficulté encore, c'est qu'une fois que vous êtes dépisté de glucose, c'est un traitement à vie. Donc c'est comme l'hypertension artérielle. Il faut que vous veniez régulièrement en consultation, qu'on vérifie quelle est la pression au niveau de votre œil et en fonction de la pression, on vous donne le traitement qu'il faut pour abaisser cette pression. C'est quel genre de traitement C'est un traitement local en général, c'est des gouttes. Hein, c'est des gouttes qu'il faut mettre soit une fois par jour, soit deux fois par jour. Parfois, on est obligé de faire des associations si la pression reste élevée. Et maintenant, en dehors du traitement médical, il y a le traitement chirurgical aussi du glaucome. Mais il n'est pas toujours accepté par les patients parce que si la cataracte, vous venez parce que vous ne voyez pas, le glaucome, on vous dépiste pendant que vous avez une bonne vision. Alors quand on vous propose de vous faire opérer, il y a beaucoup... Ah, les gens disent, mais pourquoi vous allez m'opérer Moi, je vois. Je risque de ne plus voir. Voilà, donc les gens n'acceptent pas l'intervention du glaucome comme l'intervention de la cataracte. Donc il faut les convaincre pour dire attention, si on ne vous opère pas, vous risquez de perdre la vue. au bout d'un certain temps. certain mais certains disent, ben, est-ce que je peux continuer le traitement médical Bon, <laughs> si le traitement médical est efficace, il vaut mieux quand même garder le traitement médical. Et en plus du traitement médical de la chirurgie, il y a le laser, qui est un autre type de traitement pour le glaucome. Mais il faut d'abord disposer du laser, qui n'est pas partout disponible. Au Niger, on en a pas Au Niger, on en a dans quelques services, pas dans tous les services. Et puis, maintenant, le laser n'est pas très efficace. On l'utilise dans certaines situations, quand il y a certaines contre-indications, parce qu'au bout de quelques années, l'attention reprend comme si rien n'a été fait. Donc, il faut avoir, il faut reprendre de temps en temps pour pouvoir maintenir l'attention dans les normes. Donc, c'est ça pour ce qui est du, c'est la difficulté principale du glaucome. Une dernière question par rapport au glaucome, euh, professeur. Est-ce quel est le, le symptôme principal Est-ce qu'il y a un symptôme principal ou euh, deux euh, qui peuvent, qui peuvent sont très très faibles, minimes, parce que c'est par exemple un peu de flou visuel, de brouillard le matin, ou bien un peu de maux de tête. Hein? c'est ou bien chez les enfants, c'est un œil qui larmoie beaucoup. Hein? Donc c'est vraiment des signes qui ne sont pas très spécifiques. Parce que un peu de brouillard, même la cataracte donne un peu de brouillard, même n'importe quelle infection peut donner un peu de brouillard au niveau de l'œil. Euh, bon, les maux de tête, c'est pareil. Quand vous avez mal à la tête, ce n'est pas obligatoirement les yeux. Ça peut être euh, un palus, ça peut être autre chose. Donc c'est pour ça que c'est des signes qui ne disent rien de particulier. Il faut examiner la personne pour se rendre compte de ce qui se passe. Après donc la cataracte, après le trachome, après le glaucome, vous avez toutes les autres causes que nous allons citer une à une. Par exemple, avant, chez nous, il y avait ce qu'on appelle la xérophthalmie qui est la vitamine A. C'est le manque de vitamine A. Mais euh, Dieu merci, ces dernières années quand même, c'est des lésions, des affections qu'on ne voit plus parce que maintenant, avec le programme élargi de vaccination, qui fait les vaccinations et qui distribue en même temps des capsules de vitamine A, et puis quand même, il y a l'amélioration hein, du niveau de vie des gens. Les gens mangent mieux par rapport à avant. Nous, vraiment sur le plan pratique, on voit très peu de cas. Et puis la rougeole la prise en charge de la rougeole, parce que la rougeole, c'est une maladie qui est très pourvoyeuse de xérophthalmie. Mais comme il y a la vaccination, comme il y a une meilleure prise en charge de la rougeole, on voit très peu de cas de xérophthalmie maintenant. Et vraiment, quand quelqu'un mange normalement, il n'a pas besoin de vitamine A parce que l'alimentation lui permet. Mais pour ceux qui si on, par exemple, un enfant qui a la rougeole, hein, on conseille, en dehors des comprimés de capsules de, vitamine A qu'on va lui donner, on va conseiller à ce qu'on lui donne du foie, hein, des œufs, hein, du poisson, hein, donc, et puis des, des fruits hein, à chair rouge, par exemple les mangues, les, les oranges, hein, c'est des fruits qui contiennent donc de la vitamine A, et puis les légumes à feuilles vertes. Hein, toutes les légumes à feuilles vertes, par exemple euh, le moringa là, c'est un, élément, qui, en tout cas un aliment qui contient de la vitamine A. Et puis toutes les feuilles qu'on fait les sauces là, les feuilles de baobab, les feuilles de, je ne sais pas, qui sont un peu euh, acides là. les conjonctivites, qu'est-ce que c'est Conjonctivite, bon, c'est une inflammation ou infection de la partie blanche de l'œil, ce qu'on appelle la conjonctive. Parce que nos yeux, hein, quand je vous faisais tout à l'heure euh, un répertoire, une euh, description de l'anatomie de l'œil, vous avez la partie noire et la partie blanche. Cette partie blanche-là, c'est la sclère, c'est la coque de l'œil, mais il y a une petite enveloppe dessus qu'on appelle la conjonctive. Et cette petite enveloppe, elle couvre non seulement le globe, mais elle couvre le derrière des paupières supérieures et inférieures. Donc quand pour une ou pour une autre, surtout une infection, un microbe passe dedans, cette partie s'enflamme, elle s'infecte et donc elle devient rouge et donc ça larmoie, ça donne une sensation de grain de sable et ça, ça colle le matin au réveil. C'est ça la conjonctivite. Ça peut gratter, ça peut faire un peu mal, mais en général, ça ne rend pas aveugle parce que ça ne rentre pas dans la zone de vision. Et donc, une conjonctivite, elle peut être dangereuse, surtout chez le nouveau-né. Parce que le nouveau-né, si jamais les parents ont été infectés d'une euh, IST, hein, pendant le passage dans la filière génitale de la maman, le petit enfant, le nouveau-né peut s'infecter. Et c'est pour ça qu'à la naissance de tout enfant, quel que soit le lieu, même si c'est au village, on préconise donc de laver l'enfant et de lui mettre une goutte d'un collier antibiotique. Normalement, c'est de l'argirole qu'on mettait jusqu'alors parce que ça ne coûte rien et c'est disponible partout, ou alors de la pommade tétracycline 1%, il faut mettre dans les deux yeux chaque fois qu'un enfant est né, quel que soit l'endroit. C'est pour prévenir cette infection-là, cette conjonctivite qui rend aveugle l'enfant. Oui, C'est une conjonctivite, si on ne la soigne pas, le nouveau-né va se retrouver au bout de 3 jours, 4 jours avant le cinquième, rouge, le euh, cinquième jour, les yeux qui vont être gonflés, remplis de pus, et donc, si on ne fait rien, c'est un enfant que vous allez, un aveugle que vous allez avoir dès la première semaine de la vie. Donc, nous avons vu la xérophthalmie, la conjonctivite du nouveau-né, et puis les traumatismes. Oui, les enfants qui jouent avec lance-pierre, flèche et tout, là, si vous, vous pétez votre œil, là, c'est ce que je dis chaque fois quand je fais cours aux étudiants, je dis par rapport au traumatisme, la prévention. Parce que même si vous êtes euh, je ne sais pas, à Paris, Washington ou bien New York, avec euh, tous les équipements qu'il faut, avec les plus grands professeurs, l'œil, c'est une sphère, c'est un ballon. Si vous le pétez, personne ne peut vous le rendre. La prévention, la prévention, la prévention. Voilà. Un, autre point, c'est les vis de réfraction. Euh, qu'est-ce que c'est et, comment y faire face Donc, euh, vous avez bien fait de me rappeler parce que ça, c'est un point qui est souvent oublié. Parce que le fait de, je vous ai donné la définition de la cécité. Il y a des personnes, elles ne voient pas bien à une distance de 3 mètres avec le meilleur des yeux. Mais si on leur porte, fait porter des lunettes, elles peuvent voir 10 sur 10. Donc c'est ça le vice de réfraction, c'est-à-dire c'est un problème de vision dû à un manque de lunettes. C'est ça la, le vice de réfraction. Donc la personne peut être myope, elle peut être hypermétrope ou astigmate. Donc ça aussi, il faut passer en consultation pour qu'on mesure la vision. Et si on voit qu'elle est faible, on fait le test et on vous place des lunettes pour vous améliorer. Et une fois qu'on a trouvé le numéro des lunettes, on vous fait la prescription. Maintenant, le problème, il faut disposer des lunettes parce que parfois, dans, notre, euh, dans nos régions, hein, les lunettes ne sont pas faciles à avoir parce qu'elles sont chères. Hein, et parfois même, vous n'en trouvez pas. Donc, euh, il faut avoir les lunettes et porter ces lunettes pour pouvoir corriger. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, les enfants qui perdent leur scolarité uniquement à cause de ça. Parce qu'ils euh, ne voyaient pas bien et donc ils ont des mauvais résultats. Et comme personne n'a fait attention, ben, ben, ils vont se retrouver éclaboussés du système uniquement parce qu'ils ne voyaient pas. Alors qu'il fallait seulement leur faire la consultation, leur faire porter des lunettes pour qu'ils euh, ils aient de bons résultats. À vous comprendre, par rapport au vice de réfraction, il n'y a que euh, le port des lunettes qui peut, euh, qui peut traiter ce problème Justement, parce que le nom même, c'est parce qu'il y a un vice dans la réfraction. La réfraction, c'est la capacité de voir. donc, c'est parce qu'il y a un vice dans cette capacité de bien voir qu'il faut le corriger. Et une fois qu'on l'a corrigé, et la seule correction, c'est les lunettes. Ailleurs, ailleurs, les gens font des interventions. Par exemple, les gens qui sont myopes, hein, on leur fait des petites interventions pour pouvoir améliorer leur vision pour ne pas porter des lunettes ou bien des lunettes grosses comme des loupes, on veut diminuer parce que le patient dit non, c'est trop lourd, je me sens pas bien avec. Donc on diminue, on fait une petite intervention pour diminuer hein, le volume, l'épaisseur des lunettes. Donc ça se fait ailleurs. On fait la chirurgie pour les vis de réfraction. Donc c'est ça. Hein. moi, je préfère que les gens se fassent consulter. Ils ont des lunettes, ils font faire leur paire de lunettes et ils portent. Là où les gens ont les moyens, il y a les lentilles de contact c'est des petits verres en plastique qu'on place sur le noir. Karma. Ah, Donc, c'est euh, vous avez des verres ou bien que vous ne voyez pas bien. Mais le problème dans notre contexte, vous avez vu les poussières que nous avons, les vents de poussière. Alors, si jamais vous avez des poussières qui rentrent entre votre lentille de contact et votre œil, vous allez faire une infection fulgurante et vous allez perdre votre œil. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne conseille pas aux gens de porter des lentilles de contact dans notre environnement. Il y a les lunettes, il faut porter les lunettes. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent faire leur chirurgie réfractive, mais il vaut mieux garder nos, ailes yeux le plus naturellement possible. professeur, par rapport au port de lunettes correcteurs, euh, est-ce que correctrices, est-ce qu'il euh, il y a un, délai euh, pour, retrouver la vue normale après avoir porté les, les correcteurs ou c'est à vie Vous avez bien fait. Normalement, qu'est-ce qui se passe On porte les lunettes parce que si je dois donner une explication simple, parce qu'on a soit un œil qui est plus petit que la normale, soit un œil plus gros que la normale, soit un œil dont la courbure n'est pas normale. Donc, qu'est-ce qui se passe Un œil normal, lui, il doit avoir 10 sur 10 à une distance de 5-6 mètres, il doit avoir 10 sur 10. Il y a un tableau qu'on va vous montrer, on va vous faire lire des plus grosses écritures jusqu'aux plus petites. Si vous voyez les plus petites, vous avez 10 sur 10 sur chaque œil. Maintenant, si vous avez un œil qui est plus gros que la normale, qu'est-ce qui se passe L'image qui est au loin n'arrive pas net sur votre rétine. Donc, vous voyez flou. Il faut que vous vous approchiez pour bien voir. Et ce sont les gens qu'on appelle myopes. C'est les gens qui ne voient pas bien de loin. Et ils ont besoin des lunettes pour qu'ils puissent améliorer leur vision de loin. Mais par exemple, vous allez entendre les parents qui vont dire, il vient se coller à la télé. Quand il regarde, il met les livres, les cahiers collés contre Voilà, ça c'est des signes de myopie. Quand on porte les lunettes, on lui permet d'avoir l'image plus nette sur sa rétine, donc de tenir les documents à une bonne distance, distance normale, et de regarder au loin sans avoir à s'approcher. Donc c'est ça la myopie. Or, une fois que vous avez ce défaut, parce qu'en général, on est avec, il n'y a pas d'autre euh, euh, moyen pour vous traiter, c'est de porter les lunettes. Et de revenir de temps en temps hein, pour faire des contrôles. Ça, c'est le praticien, le spécialiste qui va vous dire revenez dans un an, ou bien revenez dans deux ans, ou bien dans trois ans, etc., pour recontrôler. Ou vous-même, si vous constatez que la vision a baissé avec vos lunettes, bon, vous repartez pour faire hein, la correction. Donc, ça, ça ne change pas. Il faut porter des lunettes pratiquement toute sa vie si vous êtes myope. Ça dépend de la catégorie de la myopie parce que là aussi, ça peut être une myopie simple comme ça peut être une myopie forte. Parce que la myopie forte, elle, elle est plus difficile à gérer parce qu'elle elle évolue dans le temps. C'est-à-dire, euh, vous avez moins 6 ou moins 7 aujourd'hui, ça va aller à moins 8, moins 10, moins 15, etc. Ça, plus le temps avance, plus ça augmente. Et votre vision va chuter. L'autre catégorie, c'est l'œil qui est plus petit que la normale votre œil est plus petit que la normale. Quand vous regardez, l'image ne se forme pas nette sur votre rétine pour que vous puissiez voir. Donc vous avez aussi besoin de lunettes pour que vous puissiez bien voir quand vous regardez aussi bien de près que de loin. C'est ça l'hypermétropie. Ça, pareil. En général, ça change avec le temps. Il faut porter des lunettes, il faut des contrôles pour voir comment ça évolue. Il y a des hypermétropies chez l'enfant qui, elles, avec le temps, peuvent disparaître. Mais très souvent, il n'y a que le contrôle qui peut nous donner la situation. Et l'autre vice, c'est celui de la courbure de l'œil. Parce que l'œil, c'est comme un ballon, c'est comme un œuf, c'est une sphère, avec une certaine courbure. Donc, cette courbure, parfois, vous avez des anomalies au niveau de la courbure, surtout de la cornée. C'est ce que nous appelons l'astigmatisme. Donc cette courbure-là, quand elle n'est pas normale, va faire que par exemple pour un A, au lieu de voir deux branches collées en haut, ouvertes en bas avec un trait au milieu, vous allez voir comme un H. Les deux branches vont être verticales avec un trait au milieu. Donc c'est ça l'astigmatisme. Vous, vous, vous, déformation de l'image. Voilà, il y a une déformation de l'image donc qui vous permet pas de bien voir. Et ça aussi, on est avec ou bien on vient avec, donc il faut une correction. Et il faut de temps en temps revenir pour contrôler, voir, il faut porter ses lunettes. Professeur, donc ce n'est pas vrai, c'est qu'avant certains qui pensent que euh, après avoir porté, si vous avez un vice de réfraction et qu'on vous prescrit des lunettes correctrices et qu'au bout d'un certain moment vous pouvez déposer ces, vous pouvez déposer ces lunettes, c'est déjà bon. Non, <laughs> les gens, c'est une euh, fausse idée que les gens se font. Maintenant, votre myopie peut s'améliorer parce que par exemple vous êtes myope, le contrôle permet de voir. Avant vous ne voyez que 5 dixièmes. Deux ans ou trois ans, vous, vous venez, vous voyez 8 sur 10. Une autre fois, vous venez, vous voyez 10 sur 10. Bon, selon le moment, euh, vous avez besoin de lunettes ou vous n'avez pas besoin de lunettes. Mais ce n'est pas parce que vous avez porté les lunettes que ça s'est amélioré. Non, c'est votre situation qui a évolué comme ça. Et cette évolution, personne ne sait comment elle se passe. Elle peut être naturelle. Elle peut être stable, stationnaire, elle peut s'aggraver, comme elle peut s'améliorer. Bon, donc c'est comment elle se présente, on va voir. Mais ce n'est pas parce que vous avez porté les lunettes. Les lunettes, vous permettent d'être à l'aise parce que ça vous repose, ça vous évite de faire des efforts et ça vous permet de bien voir. Mais ça n'améliore pas votre situation. Sauf une situation qui, chez, les, chez, les, chez les adultes. Les personnes, nous tous, si on voit bien de loin, à partir de 40 ans, 45 ans, on va avoir des problèmes pour la vision de presse. C'est ce qu'on appelle la presbytie. Donc ça, ça arrive à tout le monde. Mais si quelqu'un est myope, par exemple, quelqu'un qui a une petite myopie de, je ne sais pas, moins un, bah, moins un par exemple, il lui faut des lunettes pour voir de loin. Mais quand il va arriver à 40 ans, au lieu de porter les lunettes pour lire, il va enlever ses lunettes pour lire. Donc c'est comme si ça s'est amélioré chez lui. Mais ça ne s'est pas amélioré, c'est parce qu'il a pris de l'âge et, que son âge vient annuler sa myopie. Donc il va pouvoir lire sans lunettes. Mais si chaque fois qu'il doit regarder de loin, il faut qu'il porte ses lunettes. Donc il y a des situations comme ça, ou bien des gens que vous allez voir, ils ont un œil qui leur permet de bien voir de loin et un nez qui leur permet de bien voir de près. Donc, c'est des personnes que vous allez voir à 60 ans, à 70 ans, ils, ils voient bien, ils ne portent pas de lunettes. Oui, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils voient bien de loin, ils voient bien de près. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de lunettes. Mais autrement, si vous avez une bonne vision de loin, dès que vous allez dépasser les 40 ans, si vous travaillez de près, parce que si vous êtes euh, le paysan au village qui n'a besoin que de sa vision pour regarder son champ et autres, là vous n'avez pas besoin. Mais si vous êtes le marabout qui doit lire, ou bien le tailleur qui doit mettre du fil et puis faire la couture, ça, vous aurez besoin de lunettes dès que vous aurez dépassé un certain âge. Professeur, euh, est-ce que quelqu'un qui est myope et qui porte des verres, la myopie, vous l'avez bien dit, c'est pour pouvoir bien voir au loin. Est-ce que c'est lui qui a des lunettes correcteurs euh, pour, pour voir quelque chose de près, pour, pour lire euh, un document qui est de près Est-ce que cela peut avoir des effets de porter ces... C'est pour lui-même, c'est pour son confort qu'il doit porter les lunettes. Parce que s'il ne porte pas les lunettes, il va se fatiguer. Et il y a des moments où il ne pourra même pas. Parce qu'au début de la presbytie, qu'est-ce que les gens ont tendance Vous allez, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette chambre-là. Parce que vous, vous, commencez à ne pas bien voir. Ou bien vous allez entendre, non, moi, ça, là, eh, vous, vous, cherchez à avoir des positions, vous tendez les bras pour pouvoir, pour pouvoir bien voir. Alors que si vous portez les lunettes qu'il faut, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous allez prendre vos documents à la taille normale, vous allez les lire, vous allez regarder les choses sans, sans difficulté. Une, question par rapport au vice des réfractions, professeur. Euh, quel est l'effet nocif des, téléphones portables, la lumière des téléphones portables, des télévisions que nous regardons et puis l'exposition sur le soleil, sur les yeux. Je ne sais pas s'il y a encore des études euh, vraiment euh, très nettes par rapport à ça. Ce qui est sûr, quand vous abusez de n'importe quoi, ça va avoir des répercussions sur vos organes. Mais si c'est les choses qui se passent normalement, bon, en général, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas eu des études, Par exemple, je vous prends même l'écran des ordinateurs. Il y a eu des études où on a démontré, parce que des gens se plaignent comme quoi les secrétaires et autres, que c'est le travail des ordinateurs qui ont fait qu'ils ont des problèmes de vision, etc., etc. Non les écrans, c'est vrai qu'il y a un phototraumatisme hein, qui arrive, c'est-à-dire la lumière joue sur nos yeux. Mais euh, vous et moi, on va regarder le même écran pendant la même durée de, de temps. Mais vous, vous allez avoir des difficultés, moi pas. Parce que, bon, hein, moi, mon organisme, euh, il ne réagit pas. Parce que euh, vous, votre organisme, il réagit parce qu'il y a cette. Donc, on ne peut pas dire que c'est obligatoirement la lumière qui fait que vous avez des difficultés de vision. Mais je pense que les études sont en train d'être faites pour voir ce qui est sûr. Quand ça abuse, vous allez avoir des répercussions sur vos organes, c'est sûr. Que ce soit par rapport à la, au téléphone portable avec la vie que, nous utilisons ou bien les ordinateurs. Un dernier aspect pour finir, euh, professeur, la qualité des verres correcteurs euh, qu'on nous prescrit euh, sur le marché au Niger. Quelle est votre appréciation par rapport à ça On a vu que ce marché, en, tout cas, quand même, est florissant. Il y a plusieurs cabinets. quelle est votre appréciation C'est comme les médicaments. Surtout qu'il y en a qui je pense que porter, euh, porter souvent des verres correcteurs peut même aggraver la situation des yeux. C'est comme les médicaments. Hein. on est inondé justement de toute variété de verres, comme les médicaments que vous, trouvez sur dans la rue. Il y a des faux, hein. il y a des contrefaçons, il y a du tout. Donc les lunettes, c'est pareil. Comme on sait que les lunettes, ça coûte cher, donc les gens, ils font du tout. Moi, ce que je conseille à mes patients, quand je vous fais une prescription, payez et revenez me montrer. Comme ça, au moins, je certifie que c'est au moins le numéro. Parce que parfois, c'est pas le numéro qu'on vous a prescrit. Même si sur l'étiquette, c'est écrit, par exemple, plus un ou bien moins 1, en fait, c'est pas c'est pas le bon numéro. Parfois, il n'y a même pas de correction dessus, ou alors la correction ne correspond pas. Donc, je demande aux patients, je dis, revenez seulement juste pour que je contrôle, pour que je vous certifie que c'est, c'est, le numéro que j'ai prescrit. Et la qualité aussi, tout dépend de votre euh, poche, votre pouvoir d'achat. Euh, si vous voulez du, bon prix, eh bien, surtout avec nos, nos, amis les, les, Chinois, et ils ont pour tous les prix. <laughs> Ils ont pour tous les prix. Si vous donnez bon prix, vous avez bonne lunette. Vous donnez mauvais prix, vous avez mauvais. Ils vous donnent ce que vous avez. Donc, c'est ça qui fait que c'est une situation assez difficile, mais quand vous ne mettez pas en place un système, Hein, d'approvisionnement en lunettes à bon prix, et eh ben, vous laissez les gens, chacun fait ce qu'il peut, hein, et les gens se débrouillent. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait un contrôle. Si on contrôle. Cela n'existe pas à ces jours. il n'y a pas de contrôle parce que les cabinets, les trucs, les boutiques d'optique, là, c'est avec le ministère du Commerce, ils demandent leur autorisation, ils ont leur NIF, leur registre de commerce, ils ouvrent. Euh, la qualité, bon, euh, les, diplômes et autres, là, personne ne sait. Et puis maintenant, la qualité des verres. Moi, souvent, je vois les malades qui viennent avec des lunettes et ils se plaignent comme quoi ils ne sont pas bien avec ces lunettes. J'ai dit amenez où est l'ordonnance et je vérifie les lunettes ne correspondent pas à l'ordonnance. Donc on vous a prescrit euh, une, ordonnance, vous êtes parti chez le vendeur, mais puisque lui c'est un commerçant, <laughs> il a vu qu'il n'a pas ça, mais il vous a vendu ce qu'il a. Et il a pris votre argent. Comme il sait que vous, vous n'avez aucun moyen de contrôle, vous ne savez pas comment ça se passe, il vous laisse partir. Donc, euh, l'idéal, c'est de retourner chez son, son, médecin traitant pour lui, lui montrer pour vérification. et. C'est ce que je conseille aux patients. Je leur demande, si vous faites l'ordonnance, revenez pour qu'on voit. Moi, je vous certifie si c'est ça. Et puis après, on verra. Oui, bon. Vous savez, euh, ce que c'est bien de nous avoir donné cette occasion pour parler de, la cécité, de la santé oculaire. Et le cri que je porte, c'est à l'endroit de la population. C'est vrai que euh, perdre la vue n'est pas perdre la vie, mais on n'est pas loin. Parce que quand vous ne pouvez pas voir, hein, vous ne pouvez rien faire pour vous-même et le hic, c'est que vous allez bloquer au moins une personne, un petit enfant ou quelqu'un qui, lui, ne va pas être scolarisé parce qu'il doit s'occuper de vous pour vous amener par-ci, par-là aux toilettes, il doit vous s'occuper de vous. Donc, euh, non seulement vous, vous ne pouvez pas produire, mais vous allez empêcher à un autre d'être productif. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut tout faire pour éviter la cécité. Et pour éviter la cécité, c'est que dès que vous avez un problème au niveau des yeux, n'attendez pas. Il faut venir consulter pour que vous puissiez avoir les soins adaptés à votre situation pour qu'on vous évite la cécité. Parce qu'il y a des situations, quand ça arrive, par exemple, je vous ai donné le glaucome. Le glaucome, une fois que vous êtes avec le glaucome, et eh bien que vous soyez au Niger, à Paris ou à Atlanta ou bien à New York, c'est pareil. Vous êtes aveugle, personne ne peut vous en sortir. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens, et j'ai oublié, il y a un traitement traditionnel que les gens font parfois. Au lieu d'aller se faire soigner, les gens peuvent mettre, moi, moi quand j'ai mal au sucre. du citron, du piment, du miel, etc. Toutes les choses possibles, les gens peuvent mettre dans les yeux. Vraiment, il faut éviter ce genre de situation. Il faut consulter. Il faut aller consulter pour avoir le traitement approprié à votre situation. Donc ça, c'est vraiment... Hein, se prendre en charge, vraiment, c'est d'abord vous le premier, mais il faut que aussi qu'il y ait d'autres partenaires. Les gens qui ont les moyens, les nantis, il faut qu'ils interviennent parce qu'il y a des populations qui n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils interviennent, hein, qu'ils voient des, qui nous approchent pour organiser des campagnes hein, de consultation, des campagnes de chirurgie de la cataracte pour pouvoir aider et son prochain. Parce que vous, vous avez les moyens, vous pouvez faire quelque chose. Au lieu de distribuer l'argent, je ne sais pas comment, parce que quand on voit dans certaines cérémonies, comment les gens jouent avec l'argent, c'est l'occasion d'aider votre prochain. Et bon, maintenant, il y a l'État hein, qui doit aussi faire quelque chose, plus les partenaires. Parce que les partenaires, ils font déjà quelque chose, mais les partenaires ne peuvent pas vous faire ce que vous, vous voulez. Hein, parfois, nous avons des partenaires qui arrivent et ils disent, bon, il faut faire la, campagne à tel endroit. Or, nous, nous savons que tel endroit, il a déjà reçu une campagne, mais il y a tel endroit qui n'a jamais reçu. Et, qu'il faut aller là-bas. Mais c'est le partenaire, c'est lui qui a amené ses C'est là où <laughs> C'est lui qui va là où il nous dit là où il faut. Donc, c'est ça. Il faut que les gens comprennent tout cela. Donc vraiment, il faut que euh, les gens se prennent en charge, qu'ils fassent le nécessaire, parce que euh, la santé oculaire, c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas uniquement l'État, ce n'est pas uniquement les partenaires, ce n'est pas uniquement l'individu. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Je vous remercie beaucoup, docteur, professeur, de, d'avoir, de nous avoir donné ces, toutes ces précisions et tous ces détails que nous espérons seront utiles aux auditeurs. Merci beaucoup. Fin du forum de ce soir sur la cécité, les moyens de prévention au Niger. Nous étions en compagnie du professeur Ag Hamza. Euh, Abdou, maître de conférence agrégé d'ophtalmologie et coordinateur du programme national de santé oculaire. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Présentation de cette émission à la Sankouzi Mamadou. Bonsoir.